Ça a causé beaucoup de dégâts dans les plans de riz à M. Causé dans la ville. L'eau a englouti tous les plans jusqu'au goudron. Tout ce que l'on a pu investir comme semences, argent de repiquage, d'argent investi en semences a été perdu. Nous avons commencé à retirer l'eau, mais ce n'est pas assez rapide. Peut-être que d'ici février, l'eau se retirera complètement. Concernant les aides, nous avons eu des personnes de bonne volonté qui nous ont rebouché la digue le nous a donné une motopompe pour extraire l'eau. C'est maintenant que nous avons commencé la plantation. Nous n'avons pas eu de riz à cause des inondations. Le ministère de l'Agriculture nous a donné des semences et la FUCOPRI nous a fourni un engrais. Si le gouvernement pouvait nous donner chacun deux sacs de riz pour pouvoir tenir, cela nous serait.